le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Il est 18h16 minutes. Merci d'être à l'écoute euh, du forum du studio Kalangou au micro Hamado Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Menesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel, Saï et Magaria. Après l'éducation lundi, nous continuons notre bilan de l'année 2016 qui vient de s'écouler. Pour ce mercredi 4 janvier, nous avons choisi de débattre du secteur de la santé. En 2016, qu'est-ce qui a été concrètement fait pour que les Nigériens dans leur ensemble aient accès aux services de santé Pour cela, nous allons mettre l'accent euh, sur des aspects comme la prise en charge des patients, la disponibilité des médicaments, les équipements, les infrastructures sanitaires et puis la gestion des ressources humaines ou, si vous voulez, le redéploiement de façon spéciale des agents de santé des villes vers les zones qui en ont le plus besoin. Donc euh, la question, qu'est-ce qui a été mis en œuvre en 2016 pour que les Nigériens aient vraiment accès aux services de santé Pour faire ce bilan, nous avons invité les acteurs, les principaux concernés ici en direct. Nous avons docteur Harouna Hidra qui va se présenter. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Vous allez vous présenter. Donc moi c'est docteur Haruna Hidra. Donc je suis chargé des relations extérieures des syndicats des pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger. Le Merci d'être venu et bonne année 2017. Merci. Nous espérons aussi, euh, d'une minute à l'autre, euh, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, se représenter par son secrétaire général. Et puis, nous avons en ligne le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'action sociale et de la santé, Monsieur Mohamed Moussa. Bonsoir. Euh, bonsoir, Amado. Bonsoir et merci d'être en ligne. Nous allons, au long des 45 minutes, débattre des thèmes dont j'ai parlé et bonne année à vous. Alors, euh, pour commencer rapidement, on va commencer par une question d'actualité. La semaine dernière, la clinique dénommée Niima a fait l'objet d'une décision de fermeture prise par le ministère de la Santé publique. Selon le ministre de la Santé, Dr Idi Ilyas Menassara, qui était sur le plateau de la télévision nationale, le promoteur de la clinique a violé les textes qui régissent l'exercice privé de la profession médicale. Alors, je vous propose de le suivre dans cet extrait sur l'explication qu'il a donnée par rapport à la fermeture de cette clinique. Les jeunes ne respectent pas cette loi. Les deux grands aspects. Pour ouvrir une clinique, par exemple, il faut avoir une autorisation d'exercice à titre privé. Et pour l'ouvrir par rapport au local même, il faut avoir l'autorisation de l'exploitation. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui est observé et il y a beaucoup de gens qui ont demandé, on a transmis à l'ordre, on a constaté que c'est des faux diplômes. Les gens partent, ils scannent les diplômes, mais on met la population en danger. La fermeture euh, de cette clinique c'est euh, ou de ces cliniques parce qu'elle n'est pas une seule clinique. C'est une chaîne de cliniques. une chaîne de cliniques, alors que chaque individu, chaque médecin ou agent de santé n'a droit qu'à ouvrir une seule S'il veut ouvrir une deuxième, elle cherche un autre médecin libéral qui ne relève pas de la fonction publique. De quoi il s'agit par rapport à cette clinique C'est sûr, à un rapport d'inspection générale. Le rapport est toujours motivé parce qu'on est à Niamey, on est au Niger. Tout ce qui se passe dans tous les cabinets, dans toutes les cliniques, les gens sont informés. Cette inspection diligentée a relevé des manquements. Le premier manquement, le promoteur de cette clinique est un agent de la fonction publique. Il a un matricule 102 441 bar A, matricule récent. Il a été affecté au centre de santé de la reproduction. Mais il a une clinique privée. Il a trois cliniques privées. Et la plupart des agents qui ont été retrouvés pour cette clinique sont des agents de Et parmi eux, il n'y a personne qui a une autorisation d'exercice à titre privé. Voilà, vous venez de suivre le ministre de la Santé publique, docteur Ilyas Idimenasara, sur euh, les raisons qui ont amené à la fermeture, à la décision de fermeture de la clinique euh, Niima. Docteur, vous avez bien suivi, c'est des propos, hein, dans des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale. Docteur, vous avez bien suivi le ministre de la Santé, il s'est expliqué et vous, vous êtes médecin, vous savez bien de quoi il parle. Mm-hmm. Quelle est votre réaction par rapport à la fermeture de cette clinique Voilà, donc euh, merci. parlant du propos donc, euh, du ministre euh, Dr Elias Menassara, d'abord il faut rappeler que il faut rappeler que le ministre en question, c'est un agent de santé, c'est-à-dire qui maîtrise très bien tous les circuits jusqu'au niveau central, il les maîtrise. Maintenant, par rapport à la question proprement dite de, de la fermeture de la clinique Nima, les raisons avancées, c'était d'abord que ce promoteur est un agent de la fonction publique. Deuxièmement, n'a pas l'autorisation. Effectivement, dans les lois, la loi 98-016 du 15 juin 1998 et son décret d'application du 98-329 PRN-MSP du 19 novembre 1998 effectivement, il y a des conditions qui sont établies pour d'abord l'autorisation d'exercice à titre privé, un, hein, et de deux, pour l'exploitation d'un établissement, c'est-à-dire d'une clinique ou un cabinet de soins ou un, cabinet de, de, de, pharmacie. Maintenant, la première condition pour avoir une autorisation d'exercice à titre privé, c'est-à-dire un médecin ou un pharmacien qui veut exercer librement, il lui faut une autorisation. Et pour qu'il ait cette autorisation, la première condition, effectivement, c'est qu'il ne soit pas un agent de la fonction publique. Et c'est malheureusement, selon le ministre, c'est ce Oui, c'est dire que le titre d'exercice à titre privé est incompatible avec la fonction publique. Oui. D'une certaine façon, vous êtes vous-même indexé. Est-ce que vous avez euh, mené votre enquête pour en savoir davantage Oui, j'en arrive à là. D'abord, je, relève oui. ce qu'il a eu à donner explication. Je me réfère au texte je me conforme au texte. Et vous êtes d'accord avec lui Voilà. Conformément au texte, c'est d'accord. Si toutefois c'est un agent de la fonction publique, ça veut que c'est n'est pas, pas réglementaire. Et son décret d'application aussi qui s'ensuit, c'est-à-dire qu'après, d'abord, la première condition, l'autorisation d'exercer à titre privé n'est pas valable, donc l'autorisation d'exploitation ne peut pas être valable. Si, si c'est sur le même nom, parce que c'est ça aussi. Parce qu'il y a au Niger des cliniques dont le promoteur sont autres que ceux qu'on voit ou ceux qu'on nomme. C'est des prêtres, non C'est des prêtres, non. Voilà. Maintenant, par rapport à ça, le ministre a dit que y a une inspection qui a passé. on s'en tient à ça, l'inspection a passé, mais il y a aussi l'ordre des médecins, parce qu'il y a un ordre des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes qui est là, qui aussi est interpellé. Parce que tout acte privé, que ce soit privé ou public, il y a l'ordre des médecins qui est là. Dans tout ce qu'on a comme établissement, dans tout ce qu'on a, même le recrutement qu'on fait, l'ordre des médecins, ah, pour les médecins, j'ai dit pour les médecins parce que c'est eux qui ont un ordre, pour les médecins, il y a un ordre qui est là. Parce que le ministre a parlé d'un faux diplôme. Oui, de faux il y a certains qui parlent, ils scannent des faux diplômes. Mais là, l'ordre est interpellé. Il faut que l'ordre se manifeste pour dire exactement est-ce que d'abord le diplôme ou l'autorisation Parce que quand on passe l'étape, c'est des étapes, hein, on peut citer les étapes. il y a d'abord la demande. Il y a d'abord la demande. Et cette demande, elle passe aussi au niveau de l'ordre des médecins. Vous faites une demande qui passe au l'ordre des médecins qui examine, qui ramène au ministère. Le ministère étudie la demande au niveau de la direction. Il y a une direction qu'on appelle direction d'organisation de soins d'os qui valide. Ça passe au niveau de la direction générale de la santé, qui ramène encore au niveau de l'ordre. Oui. Allez-y. Voilà, qui ramène au niveau de l'ordre. Et même l'ordre, il fait une inspection sur le terrain. Alors, est-ce que vous avez vous-même, à votre niveau, mené des investigations, puisque c'est votre syndicat, d'une certaine façon, qui est interpellé, vous êtes médecin oui, mais vous savez, il y a, le libéral, y nous, nous sommes des syndicats de la fonction publique. Oui. Lui, maintenant, pour le cas, on le considère comme libéral. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre sur les raisons qu'il a avancées Sur les textes, sur l'enquête, si les enquêtes, si l'enquête effectivement ça, découle de ça, effectivement c'est normal qu'il n'est pas règle. Si l'enquête découle de ça, que c'est un agent de la fonction publique. On va, on va permettre à, notre euh, à celui qui est en ligne, euh, qui nous écoute. Bonsoir Mamadou. Bonsoir, vous, nous vous, nous suivez, très bien, j'espère. Vous avez écouté le ministre de la Santé, vous avez écouté le docteur Haidara. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire qui, défrait la chronique, la, la fermeture de la clinique Nima Bon, je voulais d'abord vous remercier de nous offrir l'occasion de pouvoir dire quelque chose par rapport à la question et pouvoir rectifier et juste dire que notre organisation s'appelle Syndicat national des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Merci. Donc par rapport à ce que cette euh, question en débat, il faut se dire que euh, dans les années 97, quand il y a eu une mesure de rééchelonnement, si vous voulez, des salaires des médecins, un des arguments qui avait été lancé à l'époque, c'était que euh, pour éviter que les médecins travaillent au privé. Et je crois que même en 2001, je crois qu'il y a eu aussi un acte dans ce sens-là qui a aussi évoqué la même chose. Bon, euh, maintenant qu'un médecin soit dans le privé et qu'il travaille dans le public, euh, nous, en tant que syndicat, euh, ça ne nous concerne pas beaucoup. Ce qui nous concerne, de manière globale la situation du personnel et l'offre nationale en matière de prestations euh, de santé. Et c'est cette offre-là qui est faible, c'est cette offre-là qui est face à une demande qui est grandissante. oui, nous allons revenir à cette offre. Mais la question précise, c'est justement la clinique, parce que au-delà des médecins, vous aussi vous êtes interpellé. Il y a aussi des agents de santé. Oui, allez-y. Amadou, la question de la clinique euh, repose essentiellement sur l'offre elle-même de santé. C'est l'offre, c'est l'insuffisance de l'offre qui fait que un fonctionnaire, il se permet d'ouvrir un truc en privé, euh, et on n'y dit rien, on attend. cette question est là, elle date pas de ce ministre, elle date de longtemps. Tous les ministres qui ont passé ont vu ça, je ne sais pas pourquoi, ils se sont tués. Bon, si le nouveau ministre qui est un agent de santé a décidé de prendre des mesures, moi j'ai voulu que, que l'approche soit beaucoup plus euh, systémique que systématique. Euh, systémique dans le sens où il a parlé d'un rapport d'inspection. Ce rapport d'inspection, j'aurais voulu elle soit faite dans la globalité. Il n'y a pas de précipitation à faire, à moins qu'il n'ait, euh, dans le cas de l'offre de santé, des prestations, des manquements graves. S'il n'y a pas de manquements graves, s'il s'agit juste des manquements administratifs, je crois qu'ils peuvent être corrigés ou par une amende ou par, en un dispositif d'accompagnement, puisque euh, il est conscient que l'offre est faible. Il est conscient que les populations en veulent. Et clinique là, ces gens qui viennent euh, les utiliser, ce sont des citoyens qui parfois euh, font face à la défaillance quelque part du dispositif de l'État. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on a un hôpital de référence qui a été inauguré il y a plusieurs mois, qui est encore fermé. Il y a une maternité également de référence qui a été inaugurée il y a très longtemps et qui reste encore fermée. Alors, quel est, oui, absolument, quel est votre... il y a du personnel qui est là, qui attend d'être recruté par l'État, qui a pris, euh, euh, je ne sais pas quel prétexte pour dire que les concours sont faux, mais tels ont été euh, encore abandonnés dans la rue. Et chaque année, c'est du personnel que l'État forme. Et vous savez que de manière globale, le Niger, aujourd'hui, est un des pays où le ratio médecins population ou infirmiers population est faible. Donc, vous, n'êtes pas d'accord avec la fermeture, si je vous comprends bien Non, oui, justement, je voulais dire que la fermeture aurait dû être faite autrement. on aurait pu, euh, un peu comme on fait pour les écoles privées, par exemple. Lorsqu'on trouve qu'il y a des manquements, on peut nommer une administration euh, transit qui va gérer jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Parce que c'est une offre elle est là, elle est à la disposition du ministère de la Santé, elle est à la disposition de la population, eh bien, il faut en profiter, je pense. Alors, 10 ans, euh, la clinique Nima a quelque chose de 10 ans. Hein. Est-ce que ça ne vous tique pas que ce soit aujourd'hui qu'elle soit fermée Non, ça ne me tique pas. Les manquements au Niger en matière administrative, ils sont grands. Nous, il y a très longtemps, on avait une fois interpellé un de nos ministres pour nous dire, mais monsieur le ministre, à quoi vous servent les inspections Ces inspections, c'est ça leur rôle, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que depuis 10 ans, il n'y a pas euh, un accompagnement du service privé de santé. Et même des services publics de santé. Les inspections sont là, c'est pour bouger, c'est pour euh, tous les jours euh, déverser des rapports qui permettraient de rectifier le tir là où c'est possible de le faire, ou là où il faut peut-être arrêter, il faut arrêter. Mais je dis de manière générale, c'est l'État ne doit pas se prévaloir de, sa, de son manquement pour agir de manière peut-être à à, réduire l'offre de santé qui est faite à la population. vous merci. par ailleurs. Je conclue juste pour dire que, que les personnes qui ont été euh, qui sont sous prestation au niveau de NIMA ont été déversées dans les hôpitaux et les, hôpitaux nationaux, mais il faut vous poser la question. Vous savez que les hôpitaux aujourd'hui sont engorgés. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de livre le personnel. On va, on va revenir sur cette question juste euh, le temps d'attaquer l'autre point qui est quand même le redéploiement ou bien la gestion des ressources humaines. C'est un peu l'aspect que vous voulez évoquer. Et là encore, je vais vous proposer de suivre le ministre de la Santé publique. 2009-2010, les médecins ne sont qu'au nombre de 350. En 6 ans, le chiffre a triplé, puisque on a passé de 350 médecins à 1124 médecins à la fonction publique. Le total aujourd'hui de façon générale, toutes catégories confondues, que ce soit infirmiers, médecins ou sages-femmes, on a passé de un peu plus de 4 000 aujourd'hui à 8 525 agents de santé. Ce qui est quand même inédit, ce qui est formidable. Mais le constat amer qui se dégage, la plupart de ces agents de santé sont en milieu urbain. Quand vous prenez le cas précis de Niamey, pratiquement tous les spécialistes sont là. Or, ce n'est pas que Niamey qui a besoin de ces agents de santé. Il y a des régions où tu as un médecin pour plus de 600 000 habitants, ou un médecin pour plus de 700 000 habitants. Or, à Niamey, quand tu vois le ratio, quand on le fait de façon élargie, c'est un médecin pour un peu plus de 10 000 habitants. Et c'est ce qui nous a amené, à l'espace d'un mois, nous avons redéployé 251 agents à l'intérieur du pays. On a commencé avec la région de Difa. Quand on était arrivé, la région de Difa n'a qu'un seul gynécologue au niveau du centre de l'enfant. C'est lui seul qui garde, c'est lui seul qui assure les césariens. Alors, ici à Niamey, nous avons 52 gynécologues. Ces affectations d'abord ont consisté à faire la situation de toutes les femmes mariées dont les maris sont à l'intérieur. Des femmes mariées, les maris sont à l'intérieur mais qui veulent rester à Niamey. On a pris toutes ces femmes. Le cas le plus récent, c'est une gynécologue dont le mari à Agadez. Mais pourquoi elle ne suit pas son mari Si réellement on veut eh, garder l'équilibre familial, on a fait ce recensement. Toute femme dont le mari est à l'intérieur, on l'a affectée à l'intérieur. En une semaine, on a redéployé 30 agents dans la région de Difa. 10 médecins, 20 infirmiers et sages-femmes. Et même cette semaine, on a redéployé au moins une dizaine d'agents de la région de Difa. Sur les 251 aujourd'hui qui ont été, et euh, 57 qui ont été affectés, nous avons 218 qui ont regagné leur service. Il y a des petites réticences. Une trentaine, mais on est en train de prendre des dispositions. Voilà, vous venez encore de le ministre de la Santé publique, toujours dans des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale. Docteur, vous qui êtes en direct, euh, vous représentez le Symphamed, vous êtes en direct dans le studio. Vous avez suivi le constat, c'est vraiment amer. Et vous êtes d'accord avec le ministre sur le constat qu'il a fait Oui, par rapport euh, aux ressources humaines, il faut le dire que dans le cadre de la santé, il y a eu effectivement, depuis 2016, sinon depuis 2011, après le recrutement des médecins, ça nous suivi aussi le recrutement des agents de santé, que ce soit les infirmiers. C'était un de vos combats. Hein? Oui. C'est, il était même le principal, il était SG même du Saint-Famet. Parce qu'il faut le rappeler, il faut reconnaître à César ce qui lui appartient. Quand on a rehaussé l'indice salarial donc des médecins, il était le secrétaire général du, saint saint On a doublé, effectivement, comme l'a dit, l'indice salarial. On a recruté tous les médecins qui ont leur diplôme, qui ont soutenu. Tous les médecins qui ont soutenu à, euh, euh, en 2011 ont été recrutés. Et le recrutement a continué et sans concours. sans concours. Recrutement direct sans concours. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a eu un recrutement aussi de 132 sans concours. Et le recrutement va continuer sans concours jusqu'à ce qu'on ait un ratio, comme ils l'ont dit, vraiment conforme pour améliorer le secteur de la santé. Hum, ce qui vous permet d'être satisfait, c'est vraiment satisfaisant. C'est satisfaisant. Pour vous, médecins, mais il se trouve que la situation, en termes de gestion des ressources humaines, c'est. Voilà. Le, hein. recrutement ou bien l'approvisionnement en ressources humaines, oui. c'est bon. En tout cas, euh, ces dernières années, ça va. Mais le problème qui se pose, c'est la gestion des ressources humaines. Le ministre vient de le dire, c'est la gestion des ressources humaines. On recrute sans concours de médecins, on les affecte. Mais peu après encore, il y a la gestion. Parce que nous, quand nous avons interpellé par rapport à ces genre de situation, on a dit de toute façon, le syndicat n'affecte pas. Oui, mais de la même façon que vous avez lutté pour avoir plus de conditions de travail, vous devez le le signifie aussi et peut-être lutter pour que euh, le déploiement soit effectif. On a, on a lutté, on a dit, on a dit, euh, euh, le ministre à l'époque c'était Talam Moutari. On l'a dit et on avait fait une caravane même de sensibilisation de nos militants. Parce qu'il faut rappeler qu'on a eu 37 médecins qui ont été licenciés. Parce qu'on a fait une inspection, ces 37 médecins, paraît-il, n'ont pas rejoint leur poste. On a fait le débat, ça fait plus de 7 mois comme ça. On a fait le débat. Certains ont regagné leur poste, d'autres n'ont pas regagné leur poste, c'est vrai. Mais on a dit ceux qui ont regagné leur poste, il faut les ramener, il faut les réhabiliter. Ce débat a été posé. On a fait une caravane de sensibilisation pour les médecins, chirurgiens, dentistes, Mais... pour dire aux collègues que bon, voilà, il y a un employé qui est là, un employé qui est là, la fonction publique. Quand on recrute, elle a ses textes, elle a ses logiques, elle a tout ce qu'elle a comme engagement. Il faut il les, savoir et il faut les respecter. On va revenir peut-être sur cet aspect, le temps de permettre à celui qui nous écoute en ligne euh, de donner aussi son point de vue. Bon, Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous écoutez bien oui, J'espère que vous avez bien suivi le ministre de la Santé publique. Oui, absolument. Oui. Vous êtes d'accord euh, du constat qu'il a dégagé Bon, vous savez, le, le, constat est un peu guidé. On avait, il y a quelques mois, la. Oui, allez-y. Euh, la proposition qu'on avait faite au ministre, c'était qu'en 2007, on a fait une nouvelle grille indemnitaire qui prend en compte la motivation du personnel pour euh, aller à l'intérieur du pays. De manière que quand vous êtes à Niamey, plus vous êtes dans les gros euh, moins vous gagnez, en tout cas par rapport aux indemnités. Faire en sorte que ces indemnités-là aillent jusqu'à l'intérieur du pays pour favoriser en tout cas ceux qui veulent être euh, affectés à l'intérieur du pays. Donc, cette décision qui a été prise a nécessairement, il faut s'asseoir pour l'évaluer, pour savoir, après l'avoir prise, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les gens ont accepté d'aller à l'intérieur du pays, oui ou non Sinon, pourquoi Si oui, pourquoi Et aller dans le sens maintenant de corriger s'il y a des corrections à faire. C'était la proposition qu'on a faite à l'époque au ministre Kalla. Et, et, les, indemnités ont été, les indemnités ont été acceptées ah, Avec un taux pour ceux qui vont à l'intérieur. Oui, en 2007, c'est toute une grille indemnitaire qui a été euh, adoptée par l'État nigérien pour, euh, les, euh, pour le personnel de santé qui va à l'intérieur du pays. Ce qui fait que vous trouvez une différence de 1,5 pratiquement dans les salaires par rapport à une personne qui est à Niamey et une qui est dans la brousse de DIFA. Donc on a voulu que cette mesure-là soit évaluée. Il fallait s'asseoir pour se voir qui, qu'est-ce que ça a produit comme effet. Est-ce qu'il y en a qui sont partis à DIFA, avoir les indemnités, revenir à Niamey, continuer de percevoir les indemnités Est-ce que. Est -ce que Mais c'est le constat que le ministre a dégagé, vous êtes d'accord, non Non, c'est pas pas une question d'être d'accord ou non avec le ministre. C'est à lui de gérer le, personnel comme il veut. Mais une chose est sûre, lorsque on pose un problème, il faut le poser jusqu'au bout. Lorsqu'on parle de problème de personnel, il ne faut pas dégarnir Niamey pour euh, enrichir l'intérieur et laisser un vide ici qui risque aussi d'être un problème. Parce que Niamey pas. C'est un centre de référence national. Oui, mais aujourd'hui, quand même, c'est l'inverse. C'est Niamey qui est garni. Aussi, euh, oui. je voulais préciser. On a, on a eu des avis des, syndicats des médecins eux-mêmes qui disaient que le problème, c'est quand vous êtes à l'intérieur du pays, parfois vous perdez la main. Vous êtes un médecin, vous êtes en face de, de par exemple, le cas de gynécologue, vous êtes en face de, 10 euh, ou, 10 interventions par mois, alors que votre collègue qui est à Niamey en fait un tous les jours ou deux tous les jours. Donc c'est une des raisons Non, je ne dis pas que c'est une raison. Il y a une panoplie de raisons qui ont été avancées. Alors quelles sont les principales raisons pour aller vite Non, j'ai dit par rapport à l'affectation du, personnel, du redéploiement du personnel, j'ai dit il faut évaluer cette mesure-là et voir dans quelle mesure les ratios qui ont été avancés. Est-ce que Niamey a atteint ces ratios même si Niamey a atteint ces ratios, nous sommes dans un pays, dans un cas de pays en, déficience en matière de santé. Donc ces ratios-là, il faut même aller au-delà de ce que le MES a proposé. Le MES a proposé des minima. Donc le Niger, pour ce qui concerne en tout cas notre situation de santé, on a besoin même d'aller vers euh, s'il y a des maxima qui existent, il faut aller vers des maxima. Euh, alors, vraiment, pour euh, peut-être finir ce chapitre, en gros, à qui vous imputez cette responsabilité de redéploiement qui n'est pas effectif, surtout à l'intérieur du pays non, ce n'est pas une question de redéploiement, qui c'est une question d'absence d'effectifs. Même à Niamey, quand vous prenez, vous laissez un vide à Niamey. Ce n'est pas parce que ceux qui sont à Niamey ne travaillent pas. Eux-mêmes, ici à Niamey, les gens sont très occupés à un certain niveau où ça dépasse leur capacité. Donc, euh, pour amener à l'intérieur du pays, il faut s'assurer qu'on n'a pas créé un vide à Niamey qui pourrait déséquilibrer le, le système. Voilà ce que je voulais dire merci de continuer à nous suivre. Nous allons revenir au studio avec le docteur, euh, juste vraiment sur les causes de, ce problème de redéploiement, de, gestion des ressources humaines. Quel est le fond du problème Bon, et euh, on a commencé à le dire. Le fond du problème, c'est que a recruté. Le recrutement a été fait. Il y a eu des ressources humaines qui sont là. Maintenant, c'est la gestion des ressources humaines. Là, nous on se dit que l'État doit prendre en charge cet aspect. C'est un aspect primordial. Il ne suffit pas seulement de recruter et de, laisser. il faut gérer. Je vais vous donner un exemple. Il vient de parler que Niamey aussi, c'est pas parce que Niamey est engorgé. Hein. Je vous prends le district de, de, Harubanda. Il y a 15 CSI, centres de santé intégrés, qui sont tenus, dont les responsables sont des bénévoles. Les responsables sont des bénévoles. Des médecins bénévoles ou bien des... Non, des infirmiers bénévoles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas engagés par la fonction publique. 15 CSI. Ça veut dire que s'ils partent en grève, les 15 CSI là seront fermés. Ça, c'est Niamey, c'est Harubanda. C'est pour la pierre pour dire que même Niamey, c'est pas parce qu'il y en a. Non. Au fait, la répartition, c'est pas que on, est, euh, a laissé tout à Niamey euh, dans les autres régions. Non, la répartition, il y a une inéquité dans la répartition, même à Niamey. Je vous dis, à Harubanda, il y a 15 CSI qui n'ont pas qui, qui sont tenus par des bénévoles. Dans un autre district, j'ai oublié le nom, il y a et, comment est-ce qu'on appelle 16 sages-femmes dans le CSI. 16 sages-femmes. Pour, combien normalement Normalement, dans un CSI de type 2, les sages-femmes, c'est entre 4 à 5. Il y a 16 sages-femmes dans un CSI. Et ça, c'est à Et dans d'autres, il n'y a que 2 1 en tout cas, le ministre essaie de résoudre le problème et si on s'en tient à ce qu'il a donné comme explication, les dernières affectations, c'est plus de 250 qui ont été affectées. Quelques réticences. Vous êtes, euh, vous l'encouragez Vous êtes d'accord avec lui Non, c'est à encourager, c'est à encourager. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut ajouter, euh, le redéploiement ne se fait pas par, euh, par spécialité. C'est vrai, il l'a fait à tous les domaines. Mais est-ce qu'il y a une étude préalable C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une inspection préalable qui a été menée pour dire voilà les ressources humaines, voilà l'iniquité là où ça se trouve. Je comprends pour le gynécologue, ça c'est clair. Tout le monde sait que, en tout cas nous, on sait que dans les régions, il n'y a pas suffisamment de gynécologues. Je vous prends le cas de Tawa, avant il y avait un seul gynécologue. Le cas de Maradi, avant il y avait un seul gynécologue. Maintenant, il y a au minimum 5-5, même à Difa, même à Agadez, il y a au minimum 5 gynécologues. Ça c'est vrai. Mais maintenant, pour les autres ressources, humains, les paramédicaux, les infirmiers. Il faut, il, faut, il, faut, il faut vraiment une inspection pour savoir. Il ne faut pas qu'on rentre dans le jeu où on va prendre tout des néamés, on va amener à. Ou bien des centres-villes vers les, les vers zones rurales. Alors que là, encore, c'est. La gestion des ressources humaines, je crois qu'elle doit être, euh, comme il l'a dit, c'est son premier, c'est sa priorité je crois que ça va se faire vraiment de manière équitable, si on peut le dire, à tous les niveaux. Merci pour cette précision. On va attaquer un autre aspect de la santé, mais nous allons aller surtout à Maradi. Le district sanitaire de la ville de Maradi fait face depuis plusieurs euh, années à une faible couverture vaccinale en termes de prise en charge préventive. Ce taux qui est nettement en dessous du taux demandé, à savoir 95% inquiètent les responsables sanitaires. Par contre, dans les autres domaines, comme la prise en charge curative, la disponibilité des médicaments et du personnel, la situation est plutôt acceptable selon le médecin-chef du district sanitaire de la ville, Dr Soule Doudou. Il est au micro de notre correspondant de la région, Mohamed Mamoun. En ce qui concerne la prise en charge curative, là, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. La fréquentation est bonne, les médicaments sont disponibles pour la plupart, euh, ne serait-ce que certaines molécules de spécialité où il faut prescrire des ordonnances pour aller dans les pharmacies privées. Mais là où la difficulté se pose, c'est par rapport à la prise en charge préventive. Nous enregistrons des très faibles taux de couverture vaccinale. Les femmes, quand elles commencent la vaccination, elles n'achèvent pas. Quand on regarde dans la plupart des antigènes c'est-à-dire euh, les maladies pour lesquelles on vaccine, les taux tournent autour de 50% et ce n'est pas normal pour une ville. Peut-être on a aussi des difficultés par rapport à la population cible, on ne sait pas. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure de, prise en charge euh, curative, que tout va très bien, et ça dire que vous continuez ici à faire la, la gratuité de soins aux enfants de moins de, de 5 ans Oui, la gratuité continue toujours. Euh, on continue toujours à prendre en charge gratuitement les enfants de 0 à 5 ans. Bon, la seule difficulté à ce niveau, c'est euh, le remboursement par rapport euh, à, cette gratuité-là qui n'arrive pas à temps. C'est le fait qu'il y ait ce retard de remboursement, ça affaiblit un peu la capacité de prise en charge des structures. L'État est en train de faire ses efforts pour que cette gratuité-là soit remboursée. Mais les difficultés, euh, ça ne manque pas toujours pas. Vous êtes satisfait dans la ville de Maradi et dans la, ville de Maradi euh, du taux de couverture de fréquentation des centres de santé Oui, la fréquentation est bonne surtout en ce qui concerne ces enfants-là. La fréquentation est bonne, euh, la disponibilité des médicaments, euh, il y en a encore, mais nous souhaiterons quand même que le problème de retard de paiement en ce qui concerne la gratuité soit un peu amélioré. Monsieur le docteur, qui dit prise en charge adéquate parle aussi des agents de santé. Est-ce que vous en avez suffisamment euh, ou bien il vous manque, il y a des poches ça et là dans les centres de santé Bon, d'une manière générale, euh, ça va en ce qui concerne le personnel, mais euh, il y a toujours euh, des efforts encore à faire dans ce domaine-là. Il y a toujours des insuffisances en personnel, mais nous pensons que la situation n'est pas aussi critique que ça. Voilà, nous venons de suivre le, chef, le médecin-chef du district sanitaire de la ville de Maradi, docteur Soule Doudou au micro de notre correspondant Mohamed Maman et nous allons rejoindre notre deuxième invité qui est en ligne, Mohamed Moussa. Vous êtes en ligne Oui, Hamadou, je euh, J'espère que vous avez bien écouté docteur Soule Doudou du district sanitaire de Maradi. Il a brossé une situation qui est pour le moins euh, reluisante, en tout cas en termes de couverture, de prise en charge curative, en termes de disponibilité des médicaments, mais euh, en termes de couverture pour la prise en charge préventive, la situation est un peu inquiétante. Est-ce que quelle est Maradi, selon vous, c'est la même chose que les autres régions Est-ce que vous êtes satisfait d'abord de ce qui a été dit Et est-ce que c'est la réalité dans les autres districts, par exemple Bon, je n'ai pas une euh, connaissance de ce qui se passe un peu partout. Nous sommes présentement au Palais des Congrès en train d'évaluer ce qui s'est passé durant cette année 2016. Euh, donc l'ensemble des services de santé sont là en train de faire des présentations pour dire là où ça va, là où ça ne va pas. Euh, il a bien dit que le curatif, ça va. Et d'ailleurs, vous savez que le ministère de la Santé, hein, il y en a qui disent que c'est le ministère des Soins. C'est en particulier cet aspect-là qui est le, principal euh, boulot du ministère de la Santé. Mais maintenant, pour ce qui est de la prévention, je crois qu'il y a d'autres acteurs hein, qui doivent intervenir dans la mobilisation de la population pour l'efficacité de la prévention c'est notamment les communes, c'est notamment les services sociaux qui peuvent être qui sont rattachés à d'autres ministères. C'est à eux de faire cette mobilisation populaire pour que la prévention marche. Bon, il a parlé de la gratuité. Je crois que le choc hein, du non-paiement de gratuité est, derrière nous. Aujourd'hui, tous les services sont avertis, donc euh, ils ont des mécanismes pour prendre, euh, soin prendre soin de la gestion de manière à ce que euh, l'offre de gratuité et le retard dans le paiement euh, ne vient pas enfreindre à la qualité du travail qu'ils font tous les jours. Mais il faut dire que ça reste encore à équilibrer cette question de remboursement des gratuités, bien que c'est des services de l'État qui sont encore repayés par l'État lui-même. Euh, on aurait pu trouver un autre mécanisme encore plus efficient de, de règlement de cette question que de passer par euh, des systèmes qui sont parfois lourds et qui relèvent parfois des services eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui parfois euh, au regard des dispositifs comptables, euh, font des erreurs ou en tout cas n'arrivent pas à faire à Le système est fait pour créer du retard parce que tant qu'on ne vous paye pas de l'immédiat, évidemment, donc un retard va se créer, même s'il s'agit d'un tiers payant qui n'est pas l'État. Donc ce n'est pas seulement du ressort de l'État. Non, je crois que euh, c'est le dispositif qui doit peut-être être revu ou amélioré de manière que à faire intervenir d'autres payants autres que l'État. Euh, pourquoi, par exemple, euh, nous l'avons dit à l'époque, ne pas permettre aux parents, par exemple, ceux qui ont la possibilité de payer, de payer et de se faire rembourser par l'État Parce que l'État a dit, j'assure la gratuité des soins. Si j'assure la gratuité, ça peut être aussi, j'assure le remboursement des soins, au cas où on n'a pas pu se faire euh, arrêter au niveau, ou au niveau de... Alors, si ah, je, je pose cette question de façon générale, est-ce que les Nigériens ont vraiment accès de façon satisfaisante aux services de santé ah, ils ont, accès. Ils ont accès de façon. Vous savez, en termes de prise en charge, en termes de médicaments. J'ai l'impression que c'est les services les planifiés et les mieux gérés. Aujourd'hui, si vous vous rendez compte comment ces réunions techniques se tiennent euh, du ministère de la Santé, vous avez l'impression que, en tout cas, la, méthodologie est excellente en matière de suivi de, l'ensemble des prestations euh, de santé. Et là, c'est ce qui surprend tout le monde quand on apprend que dans le privé, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça surprend tout le monde. D'accord on va, euh, vous reprendre hein, le temps d'écouter docteur sur cet aspect de prise en charge. La prise en charge est-elle effective Oui, euh, je crois que, comme l'a eu à la prise en charge elle est effective. Elle continue euh, à l'être, mais le, le point épineux, c'est que effectivement, c'est le remboursement. Parce que le système de santé au Niger maintenant, au niveau des CSI et des hôpitaux de district, c'est un système de recouvrement des coûts. Et le centre de recouvrement de coûts, c'est-à-dire s'il y a la participation de la communauté. Vous payez un forfait jusqu'à l'épisode de la maladie, on vous traite. On vous donne les médicaments, on vous traite jusqu'à l'épisode de la maladie. le forfait, euh, euh, ça dépend si c'est les CSI, je crois que c'est 1050, si c'est les... C'est les, centres de santé eux-mêmes qui gèrent. C'est les centres de santé eux-mêmes qui gèrent à travers le COGES, le comité de gestion des santé. Et ça, ça a permis d'améliorer la couverture Ça, significativement, ça permet d'améliorer d'orienter ou aussi de, de, voir la traçabilité effectivement de ces, de ces activités. Donc si demain, par exemple, dans un district sanitaire, il y a problème en termes de disponibilité de médicaments, d'équipements, la responsabilité est à partager entre les responsables sanitaires euh, et, puis l'État. C'est ce que j'ai dit. Il le système de recouvrement est là. Maintenant, le problème épineux, c'est la gratuité des soins. C'est-à-dire, on dit pour les enfants de 0,5 ans, c'est gratuit. Mais on a toutes les pièces comptables. C'est-à-dire c'est gratuit, mais on mentionne. Tel enfant, on lui a fait gratuitement, mais c'est le produit qu'on paye, que le CSI paye ou le district paye. Maintenant, à la fin, il fait, par exemple, tel mois, c'est tel montant que l'État doit rembourser. Mais c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Maintenant, quand on ne rembourse pas, imaginez-vous, un mois, deux mois, maintenant, ça fait des années, on ne rembourse pas, et ça, ça va alourdir. Et là, on ne peut pas encore arrêter, parce qu'on a mis un système où on a dit la gratuité de 0,5 ans. Maintenant, on ne peut pas arrêter on est obligé de continuer. Mais bien sûr, il y aura toujours ces, petits problèmes qui vont va survenir. Oh, merci. Le, dernier aspect, c'est sur le centre de référence qui a été inauguré en août dernier. C'est le fruit de l'amitié sino-nigérienne. C'est un hôpital d'une capacité de 500 lits qui va permettre, avec des équipements modernes, performants, de rééquilibrer l'offre des soins au Niger. Et selon le ministre, l'hôpital va produire des soins tertiaires mais va mettre l'accent sur les services médicaux et chirurgicaux de prise en charge des pathologies cardiovasculaires et neurologiques avant d'évoluer vers les autres spécialités médicales. C'est le président de la République qui a euh, qui a procédé à la coupure du ruban en août dernier. Je vous propose de le suivre sur ce centre de référence. Il s'agit d'un outil extrêmement important pour euh, les soins de santé euh, au Niger, non seulement au Niger, mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, parce que je voudrais souligner ici que c'est, je crois, le plus grand hôpital de référence de toute l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins d'évacuations sanitaires vers l'extérieur. C'est un hôpital très bien équipé et cet hôpital sera également animé par des grands spécialistes nigériens et chinois qui vont travailler la main dans la main. Je pense que avec la mise en service euh, de cet outil, les Nigériens peuvent être satisfaits du point de vue de leur aspiration à la santé. Euh, à l'ensemble des populations, il faut que l'hôpital soit propre. C'est d'abord, bien sûr, euh, la tâche d'abord de l'administration de l'hôpital, mais aussi c'est un devoir pour tous ceux qui viendraient à fréquenter l'hôpital, les malades comme les accompagnants. Euh... Moussa, Vous qui êtes euh, secrétaire général du Centre Assassin et qui nous écoutez en ligne, vous avez bien suivi le président de la République Oui, c'est en août qu'il a inauguré le plus grand hôpital de référence de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien sûr euh, une bonne chose. Est-ce que quelques mois après, cet hôpital est, selon ce que vous savez, est opérationnel Il est Opérationnel. Est-ce que vous avez des... Euh, oui, sur sa fonctionnalité. présentement, on sait que cet hôpital est encore fermé. Euh, il y, a pas, il y a à peine quelques semaines, les jeunes parlementaires ont été visiter les locaux. C'est un très bel hôpital, bien équipé, et il faut profiter de l'occasion pour remercier en tout cas le président de la République pour le travail qui a été fait et aussi saluer nos partenaires qui nous ont aidés. Mais je crois qu'on doit impérativement accompagner cet exercice-là. On doit impérativement savoir que nous sommes en face des délais. On ne peut pas inaugurer un hôpital en août et attendre. Aujourd'hui, nous sommes à plus de euh, combien de mois Nous sommes à, 5 mois du mois d'août. L'hôpital n'est pas opérationnel, n'est pas en train de travailler. Vous, vous parlez d'accompagnement accompagnement et qui doit faire cet accompagnement C'est l'État. C'est l'État qui doit recruter du personnel, qui doit nommer l'administration et puis euh, mettre en branle le dispositif pour commencer à travailler. Nous, on se pose la question qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir cet hôpital-là Et d'ailleurs, en début d'intervention, je vous disais qu'il y avait et cet hôpital-là et la maternité de référence construite par les Turcs. Un joyau qui est là en train de briller la nuit. Vous passez, vous voyez de la lumière verte très belle, mm. mais le jour, on veut que jour et nuit, à l'intérieur des femmes nigériennes puissent rentrer, et pas nigériennes, les femmes même de la sous-région puissent bénéficier des prestations que, en tout cas, ce outil-là offre. Merci. On, va permettre. Oui, on va permettre. Oui, Vous avez quelques secondes. Oui, il y a des gens qui ont été formés. On a besoin que ces hôpitaux-là, ces centres de santé-là soient ouverts. On ne sait pas qu'est-ce que l'État Niger attend. Merci pour ces précisions. On revient avec docteur <clears throat> Haïdara qui est le secrétaire euh, qui est du Saint-Famed. Vous avez suivi le président de la République, c'est avec cet hôpital qui a été inauguré. Vous êtes d'accord avec euh, le, président intervenant sur l'importance du centre et puis, mais la fonctionnalité quand même, ça pose problème. Oui, à l'inauguration, j'ai même assisté à l'inauguration. Et sur la fonctionnalité, c'est ça le véritable problème. Parce que c'est un joyeux énorme. Pour sa fonctionnalité, je me dis qu'il faut vraiment faire la part des choses. Il y a un hôpital qui a été conçu par le don des, Chinois. La gestion sera eux. Même le, même le, premier intervenant, c'est qu'il a dit, c'est avec la Chine et le, Niger. Mais nous sommes dans une période où il faut le rappeler que les spécialistes, ça veut dire ceux qui doivent gérer ces, ces centres, sont en grève perpétuelle, si on peut le dire. Ça fait maintenant deux ans qu'ils sont en grève, les spécialistes. Maintenant, pour faire fonctionner ça, il faut qu'il y ait des ressources humaines. Et, ces ressources humaines, les principaux, je ne dis pas les seuls, mais les principaux quand même, c'est ces spécialistes-là. Parce que même s'ils viennent à euh, faire fonctionner ou à être intégrés au niveau de l'hôpital de référence, ça ne va pas suffire. Il faut amener aussi d'autres euh, expatriés. Mais l'appel que je lance, c'est d'abord s'entendre avec ces spécialistes par rapport à la grève, par rapport à la situation. Voilà. Je crois qu'un comité a, été créé par rapport à ça. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions par rapport à pour ça que pour que l'hôpital puisse, fonctionner. Voilà, merci beaucoup, Que c'est le euh, point merci, docteur Haruna Haidara, chargé des relations extérieures du, du Saint-Famed, d'être là pour nous accompagner et faire un peu de façon succincte le bilan de l'année 2016 en, matière de santé. Merci à vous, euh, Mohamed Moussa, le secrétaire général du Centre-Assas. Merci à vous tous qui nous écoutez. Euh, nous nous retrouvons demain pour une autre thématique. Bonne soirée.